Sénégal mu ngi def jéego yu am solo ci atum 2012 ba léegi daanaka la ñuy bay dafa yokku li tax ñu am résultat yooyu léegi mooy lëkkaloo bi am ci diggante acteurs yi waande leen rek moo des moo di daal fexe di bay dundee. parce que tey jii ku xool adduna bi nu mu tëddee xool tey jii jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko tey jii ci adduna bi loolu nag war nañoo pousse ñun tey jii ñu xam ne li ñu war a def rek mooy souveraineté alimentaire du lu du du lu ñu bëgg bëgg du wala ay planté lu war a xam ne ne moo nañu war a xar suñu tànk étudiants yi ñu ñaax leen ngir ñu gën a góorgóorlu di ENSA gën a dëgër ci biir Sénégal. xanaa li ma leen di dénk rek mooy euh, fi nga xam ne foofu lañ fekk école bi euh, li nga xam ne moo leen xëcc ci école bi ba ñu def concours bi ñëw ci école bi euh, ñu mën ko continuer di ko wéyal maanaam nañu topp seen jàng. journée d'intégration bi nag di ab lëkkaloo ci diggante élèves ingénieurs yi xool yan yoon la ñuy gën a jaar ngir gën a dooleel lii di mbay mi ci biir Sénégal. Cette journée d'intégration de la 42e promotion de l'ENSA a été saisie pour révéler les performances de l'agriculture sénégalaise. Toutes les spéculations depuis 2012 ont été doublées, voire triplées. Cependant, la souveraineté alimentaire reste un défi à relever. Aujourd'hui, face à ce monde-là, face à ces euh, difficultés que nous avons un peu partout dans le monde, qui font que les ressources, les matières, les produits agricoles font rare, nous avons l'obligation aujourd'hui de miser sur la souveraineté alimentaire. Un message d'encouragement a été lancé aux étudiants de l'ENSA afin de les pousser à préserver la bonne réputation de l'école. Je les exhorte à travailler, travailler durement pour être donc euh, parmi les meilleurs afin de euh, la très bonne réputation de cet établissement. L'objectif de cette journée d'intégration est de favoriser des interactions sociales entre élèves ingénieurs afin de renforcer la coopération et la collaboration au sein de la promotion.